le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h16 minutes. Euh, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions, mais aussi dans les localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Menansoro, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saïd. Pour ce dernier numéro de la semaine, nous allons parler population avec le lancement mardi à Niamey euh, du rapport sur l'état de la population mondiale édition 2016. La publication de ce rapport permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur une des problématiques liées aux défis démographiques. Les défis démographiques, les dividendes démographiques, voilà des termes couramment utilisés pour parler de l'état de la population. Alors pour vous permettre de mieux comprendre ces termes, nous avons fait appel à un expert, le démographe euh, Issakamaga, puis par la suite nous irons à Maradi, zone par excellence de croissance démographique, pour retrouver El Kawajé Lawali, enseignant et directeur de publication du journal Le Souffle. Il s'intéresse beaucoup à ces questions de population. Par la suite, nous vous suivrez le président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata sur une affaire de saisie de riz au Nigeria. Oui, du riz, mais pas n'importe quel riz, du riz en plastique à Lagos. L'affaire inquiète beaucoup, à tel point que Mahaman Nouri appelle les populations nigériennes à être vigilantes quant à l'achat des produits alimentaires importés sur les marchés. On peut là aussi de ces tirailleurs sénégalais, ces soldats recrutés dans les colonies françaises en Afrique subsaharienne et à Madagascar, qui ont été engagés aux côtés de la France dans ces différentes opérations militaires de 1857 à 1960. Eh bien, le président français a pensé à eux. François Hollande s'engage à assouplir les conditions d'octroi de la nationalité française pour eux, mais eux apparemment ne voient pas beaucoup l'importance de cette décision. À le caporal Yahya Alassane, âgé de 85 ans. Mais avant tout cela, vous suivrez le top modèle Alfadi, promoteur du FIMA. Il va tirer un bilan élogieux de l'édition 2016 qui s'est tenue la semaine dernière à Agadez. Oui, que peut-on retenir de la dixième édition du FIMA qui s'est tenue à Agadez en fin de semaine dernière C'est la question que nous avons posée aux promoteurs du FIMA et non aux styliste, Alfadi, donc aux promoteurs du FIMA. Eh bien, il pense que le FIMA s'est très bien déroulé. Il explique pourquoi. Ah, c'est très gentil de, me donner cette parole et surtout de m'interviewer. Merci encore, Studio Kalangu. Merci. Ce que je retiens, c'est que le monde culturel, le monde entier, le monde d'Agadez a accepté ce FIMA qui fête pratiquement ses 20 ans, donc 10e édition. Ce que je retiens, c'est que la population d'Agadez a été fière, a été content de revenir là où le FIMA a commencé. On a été applaudi, on a été aimé. Et les festivaliers ont été, ont été tous ravis de pouvoir vivre euh, cette expérience de la beauté, de la création, et surtout d'amener la paix. Montrer que la paix est exceptionnelle et que la paix, sur cette région où on croit que c'est une région un petit peu euh, dans le désert, est une région de paix. Vraiment, je retiens la dignité des hommes et des femmes de là-bas. Je retiens euh, surtout que le gouvernement, euh, au premier plan le président, mais surtout Rissa Agboula, qui est le président de l'organisation du comité d'Agadez Sourni, qui a accepté d'accompagner le FIMA sur Agadez, ont été tous là et m'a donné euh, une, euh, euh, comment ça, une joie, une joie de pouvoir réussir ce festival qui a été à 100% réussi. Vous avez parlé de paix. L'édition, c'est aussi le métissage. En quoi est-ce que le métissage et la paix ont gagné dans cette dixième édition, Afadi Parce que notre thème était éducation, éducation et industrie pour une Afrique de métissage et de paix. Parce que métissage, cette éducation, on est en train de construire la première université de la mode et des arts au Niger on est en train de travailler sur, euh, sur, euh, sur l'équipe d'industrialiser le savoir-faire des Nigériens, euh, donner une dignité au métissage, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Agadez est une ville métissée, l'Afrique aujourd'hui est métissée, et l'avenir de ce monde aussi est un avenir de métissage. C'est pour ça que nous, avons voulu faire tout ce combat pour que le, la paix soit durable dans, ce, dans ce comté du continent africain et surtout au Niger. Donc, je suis certain que euh, cette manière de pouvoir voir les choses pour demain est une manière d'amener l'Afrique et le Niger très loin et donner de l'emploi, créer de l'emploi, lutter contre la pauvreté par la mode et par la création. Il y a eu un concours top modèle, un concours meilleur artisan, il y a eu aussi le meilleur bijoutier et le meilleur maroquinier. En quoi euh, ces gens, ceux qui ont été primés, ont été talentueux, si talentueux mais vous savez, euh, euh, on a toujours fait depuis bientôt 15 euh, ans le concours du meilleur styliste et du meilleur top modèle. Ça veut dire que nous avons toujours voulu honorer la jeunesse, amener la jeunesse au corps de notre combat, donner une chance à la jeunesse. C'est eux qui seront les grands créateurs de demain. Le top modèle, c'est les mannequins. Sans les mannequins, il n'y a pas de défilé. Les mannequins sur le côté européen, les mannequins sur les grands podiums des grands couturiers européens, toujours deux ou trois ou quatre noirs. Nous, nous avons voulu sortir aussi de top modèle noir. Donc c'était une manière d'honorer la création, d'honorer aussi la beauté africaine. Cette année, la nouveauté est qu'on a voulu mettre en exil, vraiment montrer que le Niger est un pays de bijouterie et de maroquiniers. Et on a voulu aussi honorer le meilleur bijoutier nigérien et le meilleur cordonnier maroquinier nigérien. Il m'a honoré notre savoir-faire, notre travail, et c'était extraordinaire. C'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, euh, au Niger, on peut produire des centaines de milliers de bijoux et des centaines de milliers de cuirs euh, au niveau des sacs, des bagageries. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne les honore pas, qu'on leur, donne une chance d'être des meilleurs du monde pour qu'ils puissent aussi exporter leurs produits. C'est ça aussi le FIMA. Alfadi, c'est un grand styliste euh, de renommée internationale mais concrètement au Niger, qu'est-ce que vous faites pour les, stylistes euh, qui veulent émerger comme, à votre quand image. On crée un concours, quand on crée un concours de jeunes stylistes, c'est pour leur donner leur chance. On ne pas leur donner, on peut pas leur donner euh, euh, de l'argent ou leur dire vous êtes des grands. Non, non, non, non. On fait un concours chaque deux ans de jeunes stylistes ou dans les 54 pays africains, dans lequel chaque année il y a plus de 300 jeunes stylistes ils viennent concourir, amener leur travail, leur, euh, leur savoir-faire. Le Niger aussi envoie toujours 10 à 15 dossiers pour qu'ils soient reconnus euh, dans, leur, euh, dans leur travail et avoir le prix que lui moi a donné, de 2,5 millions cette année comme premier prix. Donc le Niger aussi fait partie je fais tout pour la jeunesse nigérienne. Je les encourage, je suis avec eux, je les ils doivent participer à ces concours pour gagner, mais nous travaillons pour le continent africain aussi. On est aux côtés du Niger, mais on est, aux côtés d'un savoir-faire serein, un savoir-faire professionnel pour que les gens aillent à l'école, qu'ils apprennent et qu'ils soient des meilleurs stylistes du demain. Un styliste n'est pas uniquement celui qui va dans son, dans son garage avoir deux trois machines. Non, non, n'est pas un styliste étoile à l'école il faut apprendre, il faut avoir euh, un savoir-faire, il faut être professionnel dans, ce que nous faisons pour absolument le combat. Donc je suis au côté des stylistes nigériens, ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent être euh, euh, professionnels et gagner leur, euh, leur vie dans ce métier-là qui, où il faut tous les jours se, battre pour gagner le combat. Donc il suffit de taper à votre porte seulement. Hein. À taper à ma porte, je suis là. J'ai toujours des jeunes stylistes qui sont chez moi. <laughs> Il y a, plus de 250 à 400 qui sont sortis de mon atelier ici. Tous ceux qui se disent stylistes à Niamey aujourd'hui sont passés par chez moi, qui ont fait des concours, qui sont passés faire des stages, qui est resté un an, deux ans, trois ans avant de quitter. Est-ce que vous vous êtes senti dans votre peau d'ambassadeur de l'UNESCO euh, pour la paix à, cette édition-là ah C'est fantastique parce que je suis quand même euh, artiste et ambassadeur pour la paix de l'UNESCO. Agadez est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc dans ma peau, j'étais fier et heureux de pouvoir dire qu'on doit construire cette ville. On doit donner une dignité à la ville d'Agadez parce qu'il s'agit de paix, il s'agit de l'UNESCO, il s'agit aussi de la vieille ville d'Agadez. Donc je suis, je suis allé rencontrer le sultan, je suis allé rencontrer les hommes et les femmes d'Agadez pour leur dire on doit travailler pour cette ville, l'améliorer, donner une dignité à la ville, amener la ville d'Agadez à, une image internationale comme Marrakech, comme je l'ai toujours dit, amener Agadez à une ville comme Tombouctou, donner une dignité à cette ville. L'UNESCO est prêt à appuyer, l'UNESCO est, prêt à aider, et je suis prêt aussi à accompagner cette ville pour que cette ville soit une ville de paix, une ville de tourisme, une ville où tout le monde va venir visiter cette ville classée patrimoine euh, de l'UNESCO. Je suis ambassadeur pour la paix, c'est mon combat et je suis obligé de continuer. Le combat ne fait commencer, euh, commencer et on va continuer. Même moi, Al-Fadi, je suis en train de chercher à m'installer en partie à Gadez, ouvrir la maison Al-Fadi à Gadez pour créer de l'emploi et aider les jeunes bijoutiers et maroquiniers aussi à pouvoir faire du beau travail. C'est le combat, en tout cas, je suis en train de travailler sur ça. C'est important pour moi. Au début hein, vous avez connu assez d'obstacles. Aujourd'hui, tout ça est derrière vous ah, j'ai connu beaucoup d'obstacles, beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine, beaucoup d'incompréhension parce que les gens n'ont pas compris ce que je veux faire. Aujourd'hui, c'est derrière moi parce que je crois que euh, le combat a été, a été reconnu, le travail a été reconnu. J'aime mon pays, j'ai envie que mon pays soit comme tous les pays du monde. Il n'y a pas de problème pour dire que euh, ce que nous faisons n'est pas bon. Ou, euh, ou, bien, mais ce que je fais depuis 20 ans, je crois que c'est pour amener mon pays dans la grande cour de la création, c'est pour amener aussi l'image de mon pays, pour montrer que mon pays est un pays de paix, un pays de tranquillité. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est derrière moi. Je suis fier de le faire, content, et je vous remercie tous, tous mes amis, tous les gens qui sont venus, qui m'ont encouragé pour ce festival-là. Je les remercie. Euh, Studio Kalangou, d'autres partenaires de presse qui ont compris l'intérêt de la mode. C'est très important, en tout cas, à mes yeux. Vous venez de suivre le styliste Alfadi, promoteur du FIMA, qui tire un bilan élogieux du FIMA édition 2016 à Agadez. Le rapport sur l'état de la population mondiale édition 2016 a été officiellement lancé mardi dernier ici à Niamey par la ministre de la Population, Madame Kafa rechet Christelle Jacou. Le thème de cette année, disant ans, comment cet âge déterminant chez les filles conditionne notre avenir. Dans les discours des officiels à la cérémonie, l'accent a été mis sur les défis démographiques à relever à travers des actions plus concrètes en faveur des jeunes. Quand on parle de population, il y a des concepts comme les défis démographiques, les dividendes démographiques qui reviennent couramment. Alors, c'est quoi ces concepts Commençons par les défis démographiques avec cette explication de Dr Issa Maga, démographe. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'université Abdou de Niamey un, défi démographique. Euh, pour le cas du, Niger, si on prend, nous avons une euh, croissance démographique très euh, élevée, due à une fécondité élevée. En termes de défis, vous savez que bon, une, croissance démographique importante implique une augmentation rapide des besoins, ce qui signifie qu'il faut faire des investissements important pour pouvoir couvrir convenablement les besoins qui résultent de l'augmentation rapide de la population. Vous savez que le Niger est un pays qui a quand même euh, beaucoup de difficultés économiques et qui n'arrive pas à satisfaire euh, convenablement tous les besoins de, de sa population. Le défi, c'est effectivement donc pouvoir satisfaire convenablement euh, les besoins. De... Euh, c'est de pouvoir faire face convenablement aux besoins de la population, justement, qui résulte de l'augmentation de la population. Mettons un peu l'accent sur euh, euh, la croissance démographique. On dit que le Niger dispose l'une des plus fortes croissances démographiques, en tout cas dans la sous-région. sont, qu'est-ce qui est à la base de cette euh, croissance démographique, euh, disons, exponentielle hein? Une des particularités de notre pays, c'est sa croissance démographique très élevée. Et quand on, regarde, on parle le Niger par rapport aux autres pays, on, on, constate qu'on a le taux de croissance démographique euh, le plus élevé au monde. Cette croissance est le résultat hein, donc d'une fécondité qui est elle aussi exceptionnelle, mais qui est vraiment la plus élevée au monde, c'est de 7,6, donc on a une croissance qui est de 3,9% par an. Effectivement, donc la croissance démographique résulte de la fécondité qui est très élevée, alors que la mortalité donc est en train de baisser, donc euh, en tout cas de manière assez notable depuis euh, les années 60. Par contre, bah, la fécondité, ou si vous voulez, le niveau de natalité change très peu. La différence entre la natalité et la mortalité implique la, croissance euh, démographique euh, élevée. C'est ça qui justifie la croissance démographique est très élevée au Niger. Croissance démographique euh, dans ces, avec ces temps qui courent, ça veut dire beaucoup d'inquiétudes, non Ça veut dire bien Pour satisfaire aux besoins des populations. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de demandes sociales, beaucoup de, de, besoins à satisfaire en matière de santé, en matière euh, d'alimentation, en matière d'éducation, d'urbanisation, etc. Donc c'est c'est vraiment plusieurs défis. Et quels sont les gros défis Bon, je pense qu'il <laughs> y a beaucoup de priorités, on peut dire, mais donc le, les défis alimentaires, je crois que c'est peut-être un des tout premiers défis. Donc, euh, celui du défi en matière de santé. les, deux sont combinés. Les, deux peuvent être considérés comme vraiment les deux premiers défis. Pas couvrir convenablement l'alimentation, assurer la santé pour toute la population. Alors, l'une des solutions préconisées euh, pour le taux de fécondité notamment, c'est la santé de, reproduction comme solution. En quoi est-ce que la santé de reproduction peut nous aider à trouver des solutions euh, euh, par rapport à la croissance La santé de la reproduction recouvre plusieurs aspects, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus dans la santé de la reproduction par rapport à la croissance démographique, faut le dire, c'est vraiment la planification familiale. Permettre euh, à la population euh, d'accéder aux méthodes de, aux méthodes contraceptives qui permettent vraiment de, réguler les naissances, voire vraiment donc de, maîtriser la fécondité, Ça va donc permettre aux couples de choisir euh, à quel moment ils veulent avoir des enfants et surtout assurer un bon espacement naissance. Donc, il y a beaucoup de bienfaits. Hein. Je pense que je peux toujours euh, en parler. Donc, les bienfaits aussi bien pour, euh, pour la femme qui peut se reposer, pour les enfants aussi qui peuvent euh, grandir convenablement et pour le couple aussi qui doit qui doit pas faire face à quand il y a des naissances chaque année, c'est des dépenses aussi chaque année aussi. Donc, il faut qu'il faut assurer. Dans certains pays, euh, pour faire face aux défis, euh, on parle même des limitations des naissances. Euh, au Niger, on parle plus de, de, des naissances. Vous savez, donc, je pense que pour moi, ce qu'il faut gagner, c'est vraiment la première bataille à gagner, c'est la bataille de l'espacement des naissances à travers l'utilisation des méthodes contraceptives. Donc, je pense que si déjà on arrive à faire en sorte que les populations, les couples acceptent de recourir à la contraception moderne pour espacer les naissances, je pense que c'est déjà un premier grand pas de fait. Il y a eu déjà beaucoup de ressources qui ont été mises euh, à contribution pour pouvoir euh, arriver à résoudre ce défi d'espacement. De, d'espacement est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a vraiment euh, un début de solution Est-ce que les gens commencent à comprendre qu'effectivement il faut commencer à espacer Sur ce point, je pense que le, le a avancé. Hein. donc euh, depuis les années, milieu des années 80, hein. donc quand les activités en matière de les populations ont réellement commencé, les activités en matière de planification familiale aussi. Je crois que bon, les débuts ont été assez difficiles. Ah, il y avait beaucoup de résistance euh, au niveau des associations euh, islamiques. Je crois que mais progressivement, avec euh, des efforts de communication, des efforts pour lever des malentendus, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la planification familiale est acceptée. En tout cas, dans beaucoup de milieux, même en milieu rural. Donc, vous avez des zones effectivement, je peux vous donner des exemples. Hein. Je crois que de l'ONG Animas Futura euh, hein, l'association nigérienne pour le marketing social, il y a les populations rurales, il y a beaucoup de couples qui, euh, qui acceptent et qui utilisent les méthodes euh, modernes de contraception. je crois que bon, beaucoup ont compris vraiment les bienfaits de la planification familiale. Donc il y a eu des progrès importants, donc euh, je pense qu'il faut continuer la communication, en tout cas le dialogue avec euh, les associations religieuses et euh, toutes les couches sociales, surtout en milieu rural. En milieu urbain déjà, bon, je crois que les choses avancent, même si c'est assez lent, mais ça avance quand même assez bien. Donc on est en termes de niveau de fécondité, par exemple, bon, euh, c'est autour de 6 enfants par femme en milieu urbain. Et je pense que donc si on continue les activités en faveur de la planification familiale, les, les, les couples vont finir par, euh, par comprendre. Je crois qu'il n'y a pas de raison à ce que le niveau de fécondité continue à être euh, élevé au Niger, alors que dans les autres pays, la fécondité a été suffisamment bien maîtrisée. Dans plusieurs autres pays, euh, même des pays musulmans. Je crois qu'au Niger aussi, si on continue, donc les efforts de sensibilisation, de plaidoyer, hein, et surtout la, sensibilisation de proximité si on essaie d'apporter les services de planification familiale euh, aux populations directement, donc vraiment dans leur zone euh, de résidence, je crois que les, les choses pourront euh, assez bien avancer. On peut se donner un temps, 10, 15 ans, pour avoir des bons résultats Bon, c'est vrai, vous avez raison. Euh, en matière de, de, transition de la fécondité, il faut vraiment bon, voir un horizon euh, assez, assez long, hein, dans les 10, 15 ans, 20 ans. donc, tout dépend effectivement de la mobilisation, nest pas, de l'engagement des acteurs et aussi euh, de l'engagement du politique, nest pas, donc euh, en faveur euh, vraiment de la maîtrise de la, de la fécondité. Si on continue, l'essentiel, c'est il faut vraiment généraliser. Euh, L'important, c'est de généraliser, à mon avis, les approches communautaires. Il faut aller vraiment vers les populations, en ce moment, je pense que avec des explications de proximité, les populations comprendront euh, que la planification familiale, c'est pour vraiment leur bienfait. C'est pas pour empêcher les naissances, bien au contraire, c'est vraiment pour améliorer la santé de la mère, de l'enfant, et, aussi le bien-être social euh, du, couple. Quand on voit, qu'il ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, les hommes prendre euh, deux, trois femmes, est-ce que pour vous, démographe par exemple, c'est encourageant Est-ce que c'est un lieu d'espoir euh, pour maîtriser la croissance démographique Je dirais que vraiment pour moi, euh, la, disons la pratique de la polygamie n'est pas un obstacle, disons un très grand obstacle à la maîtrise de la croissance démographique, à la maîtrise de la fécondité. Euh, c'est vrai que bon, euh, ça a des effets sur euh, la natalité, euh, sur la croissance démographique, mais, je pense que si on arrive à, gagner la bataille de la planification familiale, s'il y a une, une, un recours à la planification familiale, bon, l'effet de la polygamie, en tout cas sur la natalité, sera assez, assez limité si les couples acceptent effectivement de, maîtriser leur fécondité, je pense que bon, euh, ça ne sera pas un, grand frein vraiment bon euh, à la transition démographique. donc c'est vrai que bon, ça a des effets sur la croissance démographique, mais en termes de niveau de fécondité, comme c'est calculé par femme, il n'y a pas de, il n'y a pas de, la polygamie ne joue pas beaucoup. donc le niveau de, le niveau de fécondité des femmes qui sont en union polygame ou en union monogame, c'est à peu près la même chose. Là, les études l'ont prouvé. Pas donc, euh, même si effectivement la polygamie a des effets donc euh, euh sur euh, sur la natalité, ça c'est certain, mais ça sur une année donnée, donc donc sur la croissance démographique également. Mais je crois que le plus grand enjeu c'est surtout l'adoption de la planification familiale par les couples. Donc, euh, c'est-à-dire donc l'utilisation des contraceptifs euh, euh, modernes. Ça, c'est le plus grand, c'est ça le, plus grand enjeu, nest amener les couples à utiliser les méthodes modernes de, de contraception voilà, vous venez de suivre Dr Issa Kamaga, démographe, enseignant-chercheur à l'Université Abdou de Niamey et nous donne des explications sur le concept de défi démographique. Pour vous donner une autre idée du concept défi démographique ou encore dividende démographique, nous allons à Maradi, zone par excellence de croissance démographique. Nous allons retrouver El Kawaje Maman Lawali. C'est un enseignant. Il est aussi directeur de publication du journal Le Souffle. Il s'intéresse beaucoup à ces questions de défis démographiques et nous explique le cas de Maradi. La zone de Maradi ici, euh, c'est euh, l'une des zones, sinon la zone qui cumule le plus fort taux de natalité, de croissance euh, et curieusement même de pauvreté. Par exemple, euh, en termes de, de, taux de croissance, ici on est jusqu'à 4,9 et, et, franchement c'est euh, extrêmement euh, l'un des indicateurs qui tire la région vers le bas. Si on fait le classement, par exemple, des régions nigériennes les plus pauvres, on verra que Maradi, malgré tout ce qu'on voit, malgré la capitale économique, euh, etc., fait partie des régions. Et cela a une incidence naturellement sur la population, la croissance de la, population d'une manière générale. Euh, et, c'est en termes de défis euh, démographiques, économiques, c'est, extrêmement important. Vous avez parlé de 4,9% en termes de croissance démographique. Oui, un peu plus que le taux national qui est de 3,9%. Oui, un peu plus que le, le taux national, c'est, ça. Euh, alors, qu'est-ce qui explique ça Bon, euh, ce qui explique ça, c'est il y a, des aspects sociaux hein, qu'on peut mettre en avant pour expliquer cette situation, notamment euh, le mariage endémique des jeunes qui, sévit encore. Hein. ça peut être en tout cas l'un des facteurs, puisque quand on regarde de l'autre côté aussi, l'indice scientifique de fécondité dans la région, il est le plus élevé. Euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'il dépasse la moyenne nationale également. Donc, euh, euh, c'est des situations, c'est des défis qui sont là. maintenant, quelles sont les réponses qui sont en train d'être développées au plan régional, au plan local, pour faire face à, à, tous ces défis C'est toute la problématique qui est là. à mon sens, jusqu'à présent, la situation est, figée et euh, il n'y a aucune euh, euh, perspective, en tout cas visible ou lisible, sur cette lancée-là. L'une des solutions qui sont préconisées, entre autres, au Niger, c'est la santé de la reproduction, c'est la scolarisation de la jeune fille. Est-ce que vous avez des indicateurs dans ce domaine à Maradi qui montrent qu'effectivement il y a eu du travail ou un travail en train d'être fait oui, euh, c'est, j'allais dire que c'est peut-être euh, le seul travail qui est en train d'être fait. Euh, c'est vrai sur la santé de la reproduction, il y a une amorce timide d'une politique mise en place, en tout cas dans le domaine. On en parle, même si les médias ne sont pas tellement associés dans dans la chose. Et de l'autre côté aussi, la scolarisation de la jeune fille c'est vrai aussi, il y a quelques projets, oui, parce que moi-même j'ai visité des écoles où euh, euh, l'UNICEF appuie des jeunes filles euh, pour qu'elles poursuivent leur scolarité du, primaire jusqu'au collège. C'est une initiative en tout cas qu'il faut vulgariser carrément dans, dans, la sous-région, dans la région, parce qu'effectivement, il faut miser sur cet aspect tant que les filles n'ont pas cette autonomie euh, intellectuelle et sanitaire euh, qu'on peut mettre sous le, euh, sous le vocable santé de la reproduction. En tout cas, il y aura un gros problème. Le défi va toujours rester le même. on ne va pas progresser. Il y a un terme qui revient chaque jour quand on parle de, défi démographique, c'est le, le, terme, le, concept de dividende démographique. Je ne sais pas comment vous comprenez ça et comment vous pouvez nous l'illustrer là-bas à Maradi. D'abord, pour comprendre un peu ce que c'est euh, dividende démographique, euh, on dit que c'est. Il qui le décrivent comme un phénomène. Pour euh. moi, je, pense plutôt que c'est la conséquence d'une certaine, d'une politique d'ailleurs, hein, de la population. Politique de la population s'entend des règles bien précises que tout le monde doit accepter, sur lesquels tout le monde doit fonctionner, euh, mais aussi des investissements massifs dans l'éducation, pas les, 20%. Hein. Il faut se référer un peu à l'histoire euh, des, des, pays qui ont emprunté ces, ces pouvoirs-là et qui, qui ont aujourd'hui, qui bénéficient de ces dividendes-là. Ils ont investi massivement dans l'éducation. Et massivement, ça ne veut pas dire avec la contractualisation. Ça veut dire, en tout cas, les décideurs, eux, ils savent ce que ça veut dire. On va prendre deux familles peut-être à Maradi pour illustrer le dividende. Oui. Euh, entre, entre, le milieu rural ou bien le milieu urbain. Voilà, un exemple. milieu rural. On peut prendre, par exemple, il y a un petit phénomène chez, par exemple, les fonctionnaires polygames. Et si si je prends un peu cet exemple-là. Alors, euh, ils ont moins, ils, n'ont pas beaucoup d'enfants, même s'ils sont polygames. Au bout de 10, 13 ans de mariage, euh, en tout cas, euh, on voit que leurs premiers enfants commencent déjà à aller aux universités et certains même commencent à travailler. Donc dans l'ensemble, on peut considérer que cette famille a récolté des dividendes. Si par exemple euh, ce couple n'a n'a que 8 enfants, par exemple. Mais si vous prenez quelqu'un qui est euh, dans la brousse euh, là-bas de Sarkinyama, qui a deux femmes, qui n'a que 34 ans, mais qui a 16 enfants, euh, alors là, il n'a que 38 ans. Hein. ça veut dire que d'ici 50 ans, alors là, il aura bouclé deux bonnes ou trois bonnes équipes de football. Donc, c'est pour lui, ça va être difficile d'accéder aux dividendes. Donc les dividendes, on ne les voit pas comme ça, c'est un processus euh, d'évolution euh, euh, d'une population qui arrive à s'imposer des règles, qui investit dans l'éducation des enfants et qui attend une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années pour que l'ensemble commence à donner des fruits. Euh, pour terminer, comment maîtriser au Niger la croissance démographique Quelle est la meilleure façon Est-ce qu'il faut limiter les naissances ou est-ce qu'il faut euh, réguler les naissances, espacer les naissances oui, d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la polygamie euh, n'empêche pas de réduire ou de parce que les gens, ils ont des relations plus ou moins fébriles par rapport à cette question-là. Or, c'est des questions de bon sens. C'est rien que ça il faut regarder euh, la vie d'un pays, euh, c'est quand toutes les populations se rendent compte que c'est l'addition des problèmes de chaque euh, chef de famille ou de chaque ménage qui fait la richesse ou la pauvreté d'un pays. Alors, il faut qu'on s'entende sur des principes et ces principes-là passent nécessairement par un contrôle de, de l'évolution démographique de ce pays mais aussi des investissements, parce qu'à contrario, il faudra investir massivement sur euh, ceux qui sont là pour qu'il n'y ait pas de déperdition pratiquement, euh, pour que euh, au bout de, plusieurs générations, en tout cas, le, pays puisse s'en sortir. Mais sinon, tant qu'on ne met pas en place quelque chose de, pratique et de rigoureux, je ne pense pas que le laisser aller peut faire évoluer les choses comme ça. Vous venez de suivre El Kawajé Mohamed Lawali, enseignant de formation et directeur de publication du journal Le Souffle à Maradi. Il nous a expliqué le cas de Maradi comme zone de croissance démographique par excellence. président, le président de la République française, François Hollande, s'est engagé à assouplir les conditions d'octroi de la nationalité française aux tirailleurs sénégalais. Le terme de tirailleurs sénégalais regroupe les soldats recrutés dans les colonies françaises en Afrique subsaharienne et à Madagascar et qui ont été engagés aux côtés de la France dans ces différentes opérations militaires de 1857 à 1960. Ici au Niger, quelques-uns sont encore en vie, en vie. Leur âge varie entre 75 et 95 ans. Que pense ce dernier de cette euh, décision du président français, François Hollande Le caporal Yahya Alassam, âgé de 85 ans, est un ancien combattant de l'armée française. Il ne voit pas l'importance de cet engagement. Ses propos sont recueillis par notre reporter Souman Amadou. J'ai été engagé comme militaire le 5 novembre 1951. J'ai servi d'abord, je suis parti à Parakou. C'est là-bas que j'ai eu ma formation militaire. J'ai eu le CAT 1 en 51 là-bas. Et on m'a classé dans la première catégorie des tirailleurs africains c'est marqué et on m'a classé à l'échelle 2. Et j'ai été nommé au grade de caporal avec mon CATE J'ai servi en France, j'ai servi en Indochine, j'ai servi en Algérie. En Algérie, j'ai servi dans le département de Constantine et dans le département de Biskra dans les Aurès Nemencha. J'ai quitté l'armée le 5 novembre 1958. Vraiment, je ne veux pas prendre la nationalité française parce que je suis né au Niger, je vis au Niger, j'ai des parents avec lesquels je dois vivre et je dois les supporter. Ils, n'ont rien. Et moi, avec mes trois pensions, au moins, si je peux les aider et les supporter. Et je ne pas abandonner mes parents, là, aller vivre en France. En France, je sais que si je vais en France, même pour avoir une maison, avec l'argent, où est l'argent Mes parents sont là en train de souffrir, moi je suis en train de vivre en France. Ah, non, je ne peux pas abandonner mes parents et aller vivre en France. Pourquoi Je ne peux pas. Exactement maintenant, si je vais en France avec une nationalité, un papier, est-ce que je suis sûr que j'aurai un emploi pour venir à mes besoins C'est encore une autre souffrance. J'ai vu, lorsque j'ai fait les quelques jours à, Fréjus, Cangalieni, j'ai vu comment s'ouvrent des Européens, hein, des, vieilles femmes, des vieilles personnes, le matin de bonheur qui courent autour des poubelles là, ramasser des morceaux de pain là. C'est ce que je vais venir vivre en France je ne peux pas. Parce que rien ne me prouve que quand je serai en France, je serai en bonne. Vraiment, je serai heureux. rien ne me le prouve. J'ai vu, il y a des chômeurs en France. Il y a d'autres qui viennent ici. On voit comment ils, font. <laughs> J'ai vu la, vie. Je, l'ai observé et j'ai vu avec. Pourquoi aller balader, espérer quelque chose Nous rencontrons ceux que euh, on renvoie, ceux qui viennent ici. On voit comment ils souffrent. Je ne veux pas retourner aller souffrir là-bas. Je préfère vivre chez moi. Quel est le conseil que tu donnes à tes camarades de l'armée qui ont déposé des demandes Les camarades qui souhaitent euh, avoir la nationalité française, là, il faut qu'ils s'assurent de l'avenir là-bas en France. Il faut être certain que vraiment tu seras bien reçu et tu vas vivre et tu auras un emploi. Voilà le caporal Yahya Lassan, euh, un ancien combattant sur l'engagement du président français à donner la nationalité française aux tirailleurs sénégalais. une saisie de riz au Nigeria, pas n'importe quel riz, du riz en plastique à Lagos. L'affaire inquiète à tel point que le président de l'association de défense des droits des consommateurs, ADDC Wadata, attire l'attention des populations. Elle appelle euh, les populations, du moins Maman Nouri appelle les populations à être très vigilantes quant à l'achat des produits alimentaires importés sur les marchés. Je vous propose de le suivre. Cette information de fait la chronique euh, euh, en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Niger. Et je crois que cette histoire de riz en plastique, ça fait presque euh, six mois qu'on en parle. Seulement, on n'avait pas la preuve. Et voilà que c'est arrivé au Nigeria et ça a été saisi. 120 sacs, donc soit autour de 6 tonnes. Souvent, quand on entend les rumeurs, c'est que quelque part il y a eu des fondements. Et je crois que la découverte par euh, la douane nigériane de ce genre de riz atteste que vraiment la biotechnologie agricole a atteint un cap très important. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à tout actuellement. Maintenant, ce riz, est-ce qu'il est rentré au Niger C'est une grande interrogation. On peut dire oui. Pourquoi Parce que tout simplement notre mécanisme de contrôle de porte laisse à désirer. En tout cas, par rapport à l'efficacité, vraiment, ce n'est pas très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on a une frontière très vaste. Du fait du nombre très réduit de contrôles de ce riz là peut rentrer dans ce pays. Et la troisième chose, c'est que la plupart des riz qui nous viennent ici sont des riz où on change d'emballage. Et c'est bien possible que ce riz atterrisse ici. Mais étant entendu que c'est du riz avec comme entrant le plastique, certainement ça devrait attirer l'attention des consommateurs si ça a été vendu ici au Niger. L'un dans l'autre, notre pays, en tout cas le mécanisme de contrôle n'est pas efficace, n'est pas très important et de ce fait ça peut rentrer au Niger au Nigeria, si ça a été arrêté, c'est parce que tout simplement ils ont pris les dispositions pour ne plus importer du riz. Il faut que ça passe par la mer. Donc c'est pour ça qu'ils ont un mécanisme de contrôle très efficace. Nous, ça nous vient de partout. Mais Est-ce que les gens qui ont saisi euh, cette quantité de riz au Nigeria, ils n'ont pas dit où est-ce que ce riz-là a été produit, d'où est-ce que ça vient vraiment C'est Selon les informations que les médias passent, c'est un riz en provenance de la Chine. C'est ce que nous avons appris. Mais la biotechnologie, ce n'est pas que la Chine, c'est aussi le monde occidental. Et d'ailleurs, ça a commencé là-bas. Donc, ça peut venir de n'importe où, mais seulement, apparemment, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas, en tout cas, d'éthique là-dedans. Est-ce que des dispositions ont été prises pour, pour au moins se contrôler l'entrée de ces riz importés dans notre pays Alors, je crois que cette question, devrait être adressé aux autorités publiques. Nous, en tant qu'association de consommateurs, on a un rôle de veille. On ne fait pas la veille forcément à la porte, on fait la veille sur le marché à l'interne. Et la veille sur le marché à l'interne, c'est aussi les consommateurs. Nous avons nos comités locaux, nos comités en tout cas régionaux, qui travaillent, qui veillent sur ça, et c'est du travail en tout cas bénévoles, que les gens font et qui nous informent et euh, ont fait la synthèse, en tout cas, de toutes les informations. On dit à qui de droit. Si série existe, certainement, sur le Niger, nous serons au courant et nous allons avertir qui de droit les services publics, notamment la police sanitaire, le ministère du Commerce, éventuellement la VCN. Maintenant, le contrôle de porte, comme je l'ai dit, à notre connaissance, il n'est pas efficient. Et c'est un contrôle physique. Et le contrôle physique, ça ne suffit pas. y à un moment, il y a le contrôle avant l'importation euh, qui a été institué à travers la certification des produits à l'importation qui garantissent la qualité des produits, mais ça a été suspendu parce que ça nuisait au commerce de certains importateurs qui pensent que non, ça les empêche de transporter. Bon, du n'importe quoi, nous, c'est notre compréhension. Et de ce fait, le décret a été abrogé. On ne contrôle plus ce qui est venu de l'extérieur, particulièrement les produits alimentaires. C'est des produits qui nous viennent sans certificat de conformité. Peut-être il y a les certificat d'origine, il y a le mais au-delà de tous ces aspects-là, il y a le fond. Est-ce que c'est des produits dont la teneur en produits chimiques, notamment par exemple le pesticide, est-ce que c'est des produits contrôlés un. Deux, est-ce que les entrants, notamment les colorants, est-ce que c'est des entrants qui répondent aux normes Est-ce que ça répond aux normes nigériennes puisque nous avons toute une panoplie de normes nationales et de normes internationales et qui malheureusement sont là du fait de l'abrogation de ces décrets. On ne peut plus travailler avec ces questions de normes. Or, c'est ça la responsabilité d'un État. C'est ça, en tout cas, le rôle d'un État. Avoir une norme, c'est des prédispositions qui vous permettent de contrôler la qualité ou les normes qui ont été mises en œuvre pour fabriquer ou pour produire un produit. Voilà, vous venez de suivre le président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Maman Nouri attire l'attention des populations nigériennes à la suite de la saisie d'un riz récemment euh, d'un riz en plastique à Lagos au Nigeria. Ces propos sont recueillis par notre reporter Rahilatou Soumana. Ainsi prend fin ce forum, le dernier de la semaine. Nous nous retrouvons lundi euh, à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonne soirée à tous, bon week-end.